studio Kalangu Kessara Femme chaque samedi et dimanche à partir de 17h sur les ondes de nos 47 radios partenaires. Tunda Mukafara Kutangane Yau Hira de Zamuyi Munga Mukagamna a CCFN Jean Rouge Yau Namuka Ora Fada Tarada Matasa Wanda Sike Chicken Salon Wakana Akechima Hip Hop Rap <laughs> Aujourd'hui, nous sommes avec les rappeurs, les euh, musiciens, la old school, la new school. <laughs> les danseurs. Les danseurs, voilà, les promoteurs. Nous sommes avec le directeur du CCFN. Qui se souvient des pionniers du rap nigérien, les stars des années 90, Massacreur, Todwan, Wasika, qui sont à l'affiche du premier concert du rap au centre culturel CCFN, en 1996 déjà. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. voilà. Les années 1998, on remonte vraiment l'histoire du rap nigérien parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. on a eu de grands moments, de très grands moments, et il faut en parler dans la FADA. Les années 1998 à 99 sont des années décisives. Manyamanyan Group, Waswang, fusion des groupes Wasika et Wangari, de Bobomo Bilal Kate. Dans son album Anazwa de Niger, mais 1998 marque une année charnière avec la production de l'album La Voix du Ténéré du groupe La Calcanei. Kuma duka Niger, ils ont emballé tout le monde avec. On va remercier euh, le magazine en ligne Musique in Africa qui a rédigé cette euh, cet historique euh, qui nous a aidé Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le rap Chikimimuki, Notre hip-hop, il a pris quelle direction Cette fada autour du mouvement hip-hop sera accompagnée de musique naturellement, vous l'avez compris, il n'y a pas de fada sans musique. La rubrique de l'affaire de Mr Dondi et la chronique de notre chroniqueur Olivier. À cette fada, je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes avec euh, Hyman. Lui, il est euh, rappeur. Nous sommes avec Joël. Toi, tu es euh, danseur. Depuis, tu as traversé des générations, on dirait. Et <laughs> <laughs> eh, vous l'avez compris, euh, le hip-hop, c'est pas que le rap, c'est aussi les danseurs. Frédéric Péchaud, Yaga Kedadama, sois le bienvenu sur tout ça, la fada. merci, ça fait plaisir. Toi, tu es chanteur, rappeur, réalisateur. Tu as réalisé carrément un film sur l'histoire du rap euh, nigérien. Ça va Ouais, ça va. Bienvenue sur l'émission de Salafada. Merci. Ça fait un promoteur de festival. Euh, il était musicien aussi était chanteur <laughs> Non, non, non. non, juste à côté <laughs> avec... Oui, j'étais euh, un mélomane. Ok. Euh, J'avais la musique hip-hop. J'écoutais les Fred à l'époque. Donc, je m'appelle Alain Franklin, manager d'artistes, promoteur de festival... nous avons créé le festival Wassa Hip Hop en 2007 qui était ah, le premier festival hip-hop du Niger. Ça, c'était quelque chose. Hein. Avec nous, nous avons hein, nos hôtes. <laughs> le CCFN Jean Rouge, qui est aujourd'hui représenté par son directeur. Ça va Oui, ça va très bien. Bonjour. Le nom, c'est Alors, mon nom, c'est Jean-Michel Néer. Effectivement, je suis le nouveau directeur donc, du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouge depuis quelques jours seulement. Bienvenue sur tout ça, la FADA également. Fada, salon hein, da ma je rappelle que notre rap, il était carrément quatrième mondial, deuxième en Afrique après le Sénégal, et ça c'est selon un classement de RFI et Africa numéro 1 en 2003. Il est chanté Barbarchi, Sur des tons contestataires et engagés sur les fonds d'instruments traditionnels qui sont vraiment mis euh, en valeur dans le hip-hop nigérien et des beats synthétisés. Voilà, et l'inspiration venait des légendes américaines comme Tupac, Notorious Big, DMX, Eminem, ou encore des Français comme MC Solar, les groupes euh, IAM, euh, NTM. Je viens direct à ma question. C'est clair, euh, Frédéric Zanharagay, que le rap nigérien, il était grand, mais vraiment très grand. il y a un ne wannan girman na da rap ya ba wannan matsayin da yake da. monde. Deuxième en Afrique. Eh, abin da ya bashi matsayin mm. eh, da an ka fara rap dai can muna gani a amerika muna ga a shi eh, mutane suna yi mu ma nan yana birge mu mun ka fara mu ma muna rawa bisan wakokinsu yanzu har ya kai inda har ya kai inda a nan kuma mun ka gani afirka ma ya fara zuwa sa'an nan akwai senegal ita ce lokacin nan babban abubuwan mu ma mun ka gani mun ka ce yo abin ga da muke muna yin na mutane yo mu ma muna iya yin shi mana sa'an nan mu ma mun ka fara yanzu kenan daga rawar mun ka fara dokan mikro mun ka fara waka mu ma don da farin wakokinsu su muke maimaitawa hmm. sa'an nan mun ga kuma yau su can senegal suna yi ga walaf eh, mu muna yi ga faransai muka ce kenan mu ma ai akwai hausa akwai zabarmanci akwai buzanci akwai duka wannan muka ce mu ma ya kamata mu yi shi don da hwari dai moda ce eh, muna gani ne mu ma ya kamata mu yi don cikin duniya kowa na yi sa'an nan kuma mun ka gani kuma akwai matsaloli cikin a lokacin nan akwai ah, demokarasi ta fara zuwa akwai 'yan lakol suna da matsaloli eh, eh, akwai anne blanche hmm, akwai le pousser de cour là hmm. on passait seulement <laughs> passage automatique passage automatique <laughs> eh donc muna nan mun kaga wanga yaya za mu yi mu matasa musa abun nan ya saki eh, sai muka fara wakokin bisa kan wannan su sai muka ga ya doka eh, muka ga ya doka yanzu duk a ina a yamai da cikin nishar wakokin ne mutane na yi mutane hankalinsu ya fara budewa mhm. abin da ya sa rafkin ya girma kenan Ah, ok, mais euh, donc vous êtes réellement, vraiment, vraiment ancré dans nos réalités. Euh, vous avez euh, beaucoup, il y avait beaucoup de problèmes que vous dénonciez et tout, mais après vous avez une force de frappe, mais des talents. Évidemment, cikin matasa akwai talent ko ina akwai talent mais yanzu talent kin nan su ne son ka taso ah, que mu ah, kowa a cikin abin da in wanga waka ya eh. eh waka in mm. dole sai ka shi a wanga rawa wanga in iya inda samu manyan a nan d'accord ça c'est la old school je le précise Fred Excusez-moi, <laughs> on revient à la new school donc yanzu dai Hayman euh grâce à Fred et à cette historique euh, dans le sommet de tout ça, la fada, on a vu un peu jusqu'où était le rap euh, dans les années 90, euh, les années 2000 et tout. Yanzo, cikin mu muke manzu um, muna cikin eh, matsayi da kama c'était le même c'est le même en fait c'est comme abin da zan kwatanta mutane hmm. abin da mutane da yawa sani ba ni ina ji ana cewa eh, ancienne generation nouvelle generation Bon, ni cewa nike kullum yan yanzu mutanen yanzu da ake ce ma eh, la nouvelle generation hmm. kama produit ne su qui ont été créés à partir de cette génération ancienne-là. OK. Quand on que complément, hein, c'est des compléments en fait. Et donc, je me dis toujours que finition une tahwari, une hein, de une in haka kamata ta ida. Donc, ça veut dire que muna des har yanzu bisa, eh, eh, vraiment de ke de da hip hop tana nan tana ga karuwa a hankali a hankali tana ga mm. karuwa tana ga ci gaba ko ma dai ba da ƙarhi ne ba da zuwa guda ba mais tana nan tana karuwa sanu sanu ok voilà. donc um ça va quoi ça va, dans le bon sens euh, mon Rayman, Hayman je reviens vers toi Alain t'es promoteur t'as été aux côtés des artistes euh, nigériens mais bah t'es quoi maintenant ce que je voudrais savoir le rap un peu partout évolue des fois, euh, il a été carrément remplacé par d'autres styles de musique. Euh, ailleurs, c'est le RB qui a vraiment euh, les pions au rap, qu'on connaissait le rap traditionnel qu'on connaît. Il est moins présent ailleurs. Un peu à côté, c'est euh, les musiques Naija. Ici, le rap nigérien, il a évolué comment Bon, <laughs> Eh, on disait tout à l'heure qu'on était deuxième en Afrique et à l'époque, euh, les artistes euh, s'inspiraient beaucoup plus de, leur réalité. Ils chantaient beaucoup plus leur quotidien et dans leur production, on sentait l'originalité. Euh, on sentait le pays. Parce qu'à l'époque, quand vous écoutez les Lekelkene, les Kaidangaskia, autres là, il y a toujours le Niger qui est présent. Ces artistes, ils aimaient vraiment ce qu'ils faisaient pendant longtemps. Ils faisaient ça, ils faisaient ça, ils faisaient ça. Mais arrivé un moment, et la musique a, changé. Elle a évolué avec le temps. Hein. Ça a dépassé <laughs> le stade de passion. Ouais. C'était devenu un métier. Ouais. C'était devenu un business. Donc, euh, je dirais que le, le hip-hop, euh, la musique au Niger, c'est le stade là que nous, on, nous avions raté. Hmm. Nous avions raté le stade là parce que même aujourd'hui, même quand on parle de l'évolution, on a l'impression que ceux qui étaient encore la old school, comme on le disait, était encore plus consommable que les produits d'aujourd'hui. Euh, même les Awadi, qui étaient les pionniers du hip-hop en Afrique, arrivaient à un stade, ils ont constaté que vraiment, il faudrait que, il faudrait changer cette façon de rapper. <laughs> Ils ont tenu un peu. Euh, voilà, <laughs> donc euh, pour produire ce qui est consommable. Donc c'était ça, c'était ça que nous on disait jusque là.

Bon, yanzu kan un Apple kin ta zan zo ga directeur qui kin CCFN on est kenan tare de mu. Monsieur Jean-Michel, euh, aujourd'hui on est au CCFN parce que le CCFN a toujours accompagné euh, mm. les musiciens, l'art euh, nigérien. Aujourd'hui, on aimerait savoir quel rôle vous voudrez euh, jouer dans, dans ce nouveau souffle qu'on veut mm. donner à la musique nigérienne. Euh, si vous voulez, en tant que directeur de CCFN, j'ai évidemment de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et dans le domaine de la musique, j'en aurai un, certain nombre. Pour le hip-hop, je considère que le hip-hop est, une des lignes de force de notre programmation. Je l'ai dit à l'occasion d'une conférence de, presse euh, récente. C'est une des lignes de force et euh, nous souhaitons vraiment aider au développement. je pense qu'il va, il va falloir s'orienter en fonction de la mutation en cours aussi vers plus de numérique. Hein. donc euh, bon, les artistes de hip-hop connaissent ça très bien. La musique assistée par ordinateur, euh, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, la musique peut se fabriquer euh, dans un home studio. c'est le cas de beaucoup d'artistes qu'on découvre sur YouTube, sur Instagram et, autres. Donc l'importance des réseaux sociaux nous aideront aussi à ce qu'il y ait une meilleure visibilité et un rayonnement à l'international da wanda suke da niyan shiga cikin harkar hip hop da wanda suke da project kinsu da wanda suke da text kinsu su kama jikin su dan gangaro wajen nan haka ya des choses ya les choses vont bouger par là mais voilà eh, euh, amis de la fada on va faire une petite pause avec euh, nos invités et aller vers Dandy. Cette fois-ci, la rubrique L'artiste s'exprime. Il était avec qui Et on se retrouve juste après. Omar Breakboy, fais ton entrée avec yeah. tes faits et gestes. Il n'y a pas de place pour faire les autres pas. <laughs> Alors, tu viens de dire quoi là euh, Qu'est-ce que tu. C'était quoi l'expression C'est juste une façon de présenter en quelques part de danse. Tout simplement. Mhm. D'accord, c'est de l'expression la danse. Omar Breakboy, parle-moi de toi. Qui est ce garçon eh bien, je sais que beaucoup de jeunes Nigérians, ils te kiffent déjà, ils ont l'habitude de te voir euh, euh, sur les réseaux sociaux et un peu partout. Parle-moi de toi, Omar Breakboy. Qui est Omar Breakboy Ok. Déjà, mon nom, c'est Abdou Maman Oumarou. Abdou Maman Oumarou. À l'état civil. À l'état civil. Super. Tu es né en quelle année 1996. 1996. Tu es artiste danseur. Artiste danseur. Commençons par parler de la danse et de tes débuts dans la danse. Voilà. Moi, j'ai commencé déjà à danser en 2008. Tu as commencé à danser en 2008. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, dans la danse Au début, c'était juste pour le plaisir. Ok. J'ai dansé dans les fadas. Ok. Et tout d'un coup, un groupe m'a vu. Il m'a proposé de venir. Euh, danser dans leur groupe. Le groupe s'appelait Scarface. Le groupe n'existe plus maintenant, mais moi je suis toujours là. Donc après, euh, on a continué à travailler avec eux jusqu'en 2013 et après j'ai eu pas mal de groupes dans lesquels euh, je dansais. Tout simplement. Mhm. Mais tu as commencé à danser en 2008 depuis que tu étais enfant, tu dansais aussi ou bien ça a été venu comme ça, ben mais là. Euh. Je voyais ça seulement dans les vidéos et après je me suis dit, ah, j'adore ce genre de mouvement. Donc, euh, et, tu t'es forgé dans la exactement, En 2000 tu as commencé par Scarface. Scarface, exactement. Et comment est-ce que la danse s'est révélée en toi Bon, en fait, moi, ce qui m'a motivé même à choisir la danse, c'est un voyage qu'on avait effectué en France en 2013. 2013. Le jeu de la francophonie. Jeu de la francophonie. Exactement. Donc, le jour où on est parti faire notre prestation, c'est vrai, on n'a pas gagné. Mais je me suis dit, ah, pourquoi on n'est pas faire cela Il y a des filles même qui dansent et qui sont vraiment bonnes dedans. Et que nous, chez nous, il n'y a pas ce genre de niveau. Mhm. Si j'arrive à avoir ce genre de niveau, c'est sûr que les portes vont s'ouvrir. Donc c'est ça, c'est depuis le 2013, je me suis dit, ah, moi, la danse, c'est... Tu es parti, pour parti, le bon, et tu feras de ça un métier. Un métier, voilà. D'accord. 2008, aujourd'hui. Parlons un tout petit peu de comment est-ce que tu as évolué, de comment est-ce que tu vois la, vélo de la danse ici au Niger. Est-ce que tu penses que ça va, ça va aller demain ou pas Ou est-ce que tu t'es retrouvé à travers euh, euh, tes faits et gestes Déjà, moi, j'ai compris que moi seul, en tant que danseur, je ne vais pas aller loin. Ok. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver moyen d'amener la jeunesse à être aussi euh, choisir la danse ou bien de le faire pour le plaisir. En tout cas, de trouver moyen pour que les jeunes s'intéressent à la danse. Tout à fait. Exactement. On va parler donc un peu de ton parcours, le parcours en question du combattant sur cette émission de 2008 à aujourd'hui, euh, les groupes euh, par lesquels tu es passé, ça c'est entre carrière solo et tout ce qui va avec. Alors parlons un peu d'abord de Scarface. Vous étiez combien déjà au début On était 8. 8 au début. Mhm. Et à fin de compte, vous vous êtes séparés ou qu'est-ce qui s'est passé Bon, ça je ne vais pas trop parler sur ce qui nous a séparés. Mais quand même, on n'a pas pu continuer. C'est des gars qui vous ont séparés ah, c'est de l'oseille <laughs> Ok, d'accord. Il n'y a de Dislocation du groupe. Voilà. Et après, tu on a repris avec euh, B-Boys. Ok. Et après B-Boys, euh, on a fait Wangari. Ok. B-Boys, aussi euh, une autre formation. Une autre formation, Aussi, au Niger. Ok, d'accord. Et après ça, on a fait aussi Wangari. Wangari. Wangari ça, on répétait au CSFN. Ça, c'était plus les spectacles de danse. Ok. Et à part cela, même, j'ai eu à faire plusieurs formations de la danse contemporaine. Ok. Et à travers ça, j'ai eu beaucoup d'expérience à travers ces formations. Ok Et ça m'a permis aussi d'avoir une autre histoire à part le breakdance que je faisais déjà. D'accord, donc tu fais du breakdance. dance. c'est quoi le breakdance Le breakdance, c'est les pas qu'on fait au sol, ok, dans l'air, les acrobaties. acrobaties. Il y a beaucoup de pas aussi. Et c'est quoi la danse contemporaine La danse contemporaine, c'est plus expressif. Ok. C'est-à-dire, tu prends un thème, tu prends quelque chose qui, que tu as envie d'exprimer uh-huh. en danse uh-huh. et tu le fais sans parler. Ah, super. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie, consacrée donc à l'artiste en question parce qu'il faut te cerner en 5 minutes. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la danse a de l'avenir au Niger Soyons francs. Est-ce que tu te retrouves froid dans la danse Est-ce que tu as <laughs> dans la danse Pour être franc, non. Ok. Mais moi, je me suis imposé. Ok. Déjà, la danse ici au Niger, c'est mal vu par la société. Et moi, j'ai eu beaucoup de temps à m'exercer déjà de mon niveau. Et après, à la maison aussi, la famille, c'était pas facile au début, ils m'ont pas laissé faire. Mais je me suis imposé. Je me suis dit, je les ai fait croire que moi, c'est ça que je veux faire. Donc c'est ça qui les a aussi convaincus. Et après, ils m'ont laissé danser. Donc du coup, c'est c'est pas aussi facile pour d'autres jeunes. Moi, le message que j'ai à donner, c'est adressé aux jeunes nigériens qui ont envie de persévérer dans la danse, la culture ou le sport. C'est de ne pas laisser, de le faire quand même, malgré la situation. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'évoluer ici au Niger en tant que jeune, malgré la situation du Niger, c'est la culture et le sport. De l'aide, vous en avez besoin ou pas oui, on a besoin de l'aide. Ok, d'accord. Alors, ils ont besoin d'aide. Soutenez nos artistes pour qu'ils puissent faire rayonner, comme on dit, ainsi par yes. Omar B-Boy. Nous sommes donc euh, à la fin de cette première partie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquent. C'est que la donne qui va changer. Et... revient à la Fada aujourd'hui calé au CCFN Baral. Nous sommes avec des danseurs, des rappeurs, la old school, la new school. Aujourd'hui, on parle du rap, le rap de Renam Kahito. Où est-ce qu'on va Comment ça marche maintenant on est vraiment euh, là-dessus. Aujourd'hui, on est avec Frédéric Péchaud, nous sommes avec Alain, euh, nous sommes avec Joël, danseur, nous sommes avec euh, qui n'est plus à présenter, directeur du CCFN Jean Rouge, euh, Jean-Michel. Et euh, je passe direct à ma prochaine question. Les pionniers du hip-hop nigérien étaient, si on peut le dire, un cocktail de notre culture et de l'influence du rap US. Euh, un rap et Joël. Toi, en fait, tu étais avec eux euh, dans les années, au début des années 2000 et là, tu es encore avec eux. Maintenant, j'ai besoin de ton analyse. Notre hip-hop de maintenant, c'est un mélange de quoi et de quoi, en fait Ce qu'on peut retrouver dans notre hip-hop, Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui. Ouais, hip-hop, ouais, en général, voilà, la danse, euh, le rap et tout. Euh, il y a vraiment beaucoup de cocktails, comme on le dit, mm. parce que là, on, retrouve beaucoup de styles, comme un peu euh, le, style afro, afro, afro, afrobeat, hein. le, trap, voilà. donc, vous voyez, le, rap, le rap a vraiment évolué. Et moi, je pense que en, en, étant si si même tu es ancien rappeur avec la, la génération d'aujourd'hui, il faut essayer de t'adapter parce que tu, tu peux pas tu peux pas toujours rester dans dans ton, dans ton ancien style et dire que ça va marcher. Il faut il faut il faut suivre la tendance comme on le dit, mais en étant original. Moi moi c'est ce que je pense. En tant que danseur même c'est c'est c'est pareil. Quand quand tu fais de la danse euh, basique, comme on le dit, avec le, le style hip-hop et tout et tout, à un moment donné, la danse a tellement évolué où il faut mélanger euh, le, le, le breakdance d'aujourd'hui et avec les danses traditionnelles, euh, le popping, le crump et tout et tout. Donc le rap aussi c'est vraiment pareil quoi. Il faut vraiment s'adapter, euh, comment dirais-je Il faut vraiment suivre la tendance en, en, mélangeant. Comme on le dit, en mélangeant les, les, les genres. C'est ce qui nous manquait. Oh, la génération, la première génération, euh, rapper euh, en langue, comme on le disait, n'est-ce pas Comme on le dit, euh, rapper en langue. Mais même la génération d'aujourd'hui, il y en a ceux qui le font, mais euh, je, je, je, je sais pas. Il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui, qui manque. Et cette chose-là, c'est l'originalité. Sérieusement, l'originalité, c'est ce qui manque à la génération d'aujourd'hui. Les, les rappeurs d'aujourd'hui, il y en a plein, il y en a plein, mais parmi, dans, dans, dans ce lot-là, il y a vraiment beaucoup de talentueux et qui peuvent vraiment euh, euh, créer leur propre style. Parce que moi, moi aujourd'hui, moi, moi aujourd'hui, quand, quand, quand, je vois euh, au, Nigeria, avec, avec l'afro, l'afro, l'afrobeat et la trappe, D'accord ils ont, ils ont créé leur propre identité. Et partant de quoi Partant de quoi C'est leur propre style, c'est leur originalité. C'est chez eux. C'est la musique traditionnelle, les danses traditionnelles, prend, la façon de chanter. à, t'entendre parler, on a commis, on a, on a, on a les, matières sont là. On a la tout, matière première. Oui. Hayman, je viens vers toi, mon coco Hayman là, direct. <laughs> ça te touche ça, Hayman ouais. Déjà, il un mini, parce que toi tu écris les textes me kake sa cikin text kinka nan ga auditor kin su ji pour s'identifier à ta musique, se retrouver dans ta musique, mire que ça me Après Après, quand Joël qui t'a relancé sur l'originalité et tout, tu vas me donner ton avis aussi sur ça. Mais commence par ça. Mire que ça un texte kinka. Depuis, depuis, que moi j'avais commencé, parce que il a un seul lissahi zan iya a ni kadai ne ya zama tuni kadai cikin amma ina ina mutane chaque fois que na rubuta wani abu ina ina je me dis au fond de moi j'essaie de voir effet da yake yi sur, la personne donc ina rubutu ina je tiens toujours compte de l'effet de l'énergie que je vais envoyer et de ce que moi je peux euh, recevoir. Tu vas recevoir. Ah, sur un truc. Juste un truc, quoi. <laughs> ok justin freestyle uh, da na fitar da waka lokacin suna ga kwana yeah. hausa nan nijar da zarama babu mai kamana haka zan ci gaba da aiki no stop dare da rana agogo sarkin aiki eh ni ne shi kanta rana ana faɗi gidana wai rap na sa gabana kuma dolce an gabana ai ba cikin kayana na ga idan an uhana da masoyana da dama non mais Hayman, à t'entendre chanter là, là, tu chantes euh, pour euh, nos auditeurs qui sont à Maradi.

eh, originalité bon donc ce muku cousin yo comment ma ka iya e euh, turanci ba ka yin bature e turanci gaskiya donc abu guda ne za ka iya e yin bature yarenka ne za ka yin shi iya e yarenka kuma shi ne zai sa mutum ya ce yau waka kamun ita nan kai sai importe la musique la danse tout ça là c'est vrai qu'on a nos danses traditionnelles amma yau musique urbaine abubuwa da yawa kamun ne an kai don waɗanda suka kama na kuma turawa ne kuma sun yi sanin eh, valar in abubuwan nan bisa ga kowa cikin duniya mm-hmm. ya za ka yi wani bature jiya purke ka jayo hankalin shi gare ka eh, bisa abin da kace yi sai ka so baka so ba sai ka yi abin da bai gane da zai tura shi ya ce ifo ka in je in sani ya ne wanga yake na yana yi kenan kai kawai on na tu a ganin ka muna iyawa on na vraiment tu ba abin da ba mu iya yi on va les souffler un peu sur tout ça la fada. On revient avec la calcanée sous je crois qu'on ne peut pas faire cette émission sans rendre hommage au moins à l'un des grands groupes de rap du Niger. C'est le premier album. On se retrouve juste après la Hey sous Hey, majalan ekiyasi watu ajinin hey mijinin dissene tamashek hey mijinin disse dissene tamashek Ayo, hey la girl qu'elle est en action avec la technique. De fois que vite ta public, des tic-tac au tactique, plus au tactique, petit à petit polémique des politiques à satanique s'applique sur l'Afrique de façon méthodique. En Afrique, en Afrique, la mécanique linguistique, pas du tout. C'est pratique pour les sataniques pratiques. La gymnastique dynamique, dans les courses épiques afin de faire monter la puissance de cela est problématique. Les guerres en Afrique me mastique la partie logique de ma conscience mystique de façon schématique. Du côté économique, l'Afrique tombe à pic par rapport au continent asiatique, l'Europe, l'Amérique. Africa goga mundize goga doro mainogi munde monde adalan ma jaga jagan eki hayati wadu عدني هي مدينة تسانة تمعشك هي مدينة تسانة تسانة تمعشك Aïe mën ma Aïe Manata yo chaque fois me balance à la figure des canards on me bat les phares avec le tas de pétards comme la merde comme ne fout pas du tout j'accorde mes cartes linguistiques jusqu'au bout du trou l'énergie positive de hip hop à moi crois-moi le donneur du destin n'est pas loin avec cette science qui avance on le pense mais incapable de dégager tes propres déchets quand je pense encore à nos soi-disant dirigeants Ami de la Fada nous tirons tout doucement euh, vers la fin de cette émission Français ça mais euh, je rappelle à nos auditeurs, aujourd'hui, il s'agit du rap nigérien. D'où est-ce qu'on vient Comment ça se passe maintenant Et où est-ce qu'on va Je viens à la dernière question de cette émission. Euh, je viens vers vous, Jean-Michel. De quoi de par votre expérience, brièvement, tout le monde va me dire de quoi a besoin le hip-hop nigérien aujourd'hui euh, pour aller de l'avant. Mais Joël a dit quelque chose de, très intéressant, que, le hip-hop doit trouver sa, propre voie au Niger. Il y a une particularité du hip-hop, c'est qu'il est il est euh, slamé ou clamé en, langue euh, vernaculaire, c'est Aoussa ou Zarma, je suppose. bref, mais euh, c'est effectivement une des origines originalités parce que le Aoussa est une langue très très musicale. Et moi, mon idée ici au CCFN, dans le cadre des productions et des organisations que nous mettrons en œuvre, c'est de favoriser justement des synergies avec d'autres musiciens qui viennent d'ailleurs. C'est ce qu'on fait au Sénégal, ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, etc. Ben, justement pour pouvoir permettre à ces, à ces peur euh, de travailler au contact de personnes qui ont une autre expérience de la musique en particulier. Ok. Alors, de quoi le hip-hop nigérien a besoin pour redorer son blason, euh, retrouver euh, sa grandeur, sa majesté. Beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. je parlais tout à l'heure de showbiz. Mm-hmm. souvent, partout, pour faire quelque chose, on a besoin de se faire former. On a besoin des formations. À l'époque, les anciens, on allait à l'école de, nos aînés. Même si tu ne vas pas t'asseoir sur une table, ben, apprendre, tu vas chez la personne à la maison, il t'explique les méthodes, les techniques, comment ça se passe. Aujourd'hui, la musique s'est vraiment professionnalisée au point où pour faire la musique, il faut connaître la musique. Parce que même quand tu changes en verre, l'enculé, et que ta musicalité n'attire pas la personne, on ne doit pas l'envie de l'écouter. Il n'y a pas la voix, hein, il y a le son, le beat, si ça ne fait pas danser, oh, nous c'est compliqué euh, avec nous. Hein, je pense qu'on a besoin de se faire former. Mhm. Tant les ingénieurs de son, tout à l'heure le directeur parlait du, numérique, euh, la musique, le home studio, tout ça là. Il nous faut des formations, il nous faut des formations pour des artistes, des ateliers d'écriture. Ah ouais, les textes, hein. Les textes, <laughs> c'est quelque chose, hein, Aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération, dans leur test, il n'y a pratiquement rien. Aujourd'hui, les gens s'inspirent de trap. Quand tu écoutes Afro Trap de MHD, tu entends ce que dit, ça véhicule un message. Aujourd'hui, la personne vient et te fait de, l'Afro Trap, pratiquement il n'y a rien dans son test. Ouais. Pourtant, il y a des choses à dire hein, chez nous. Voilà, il y a <laughs> beaucoup à dire. Il y a, y a un paquet de choses à dire. C'est ça, en fait. il y a choses après, Raymond, avant que tu nous fasses la conclusion, j'annonce à nos auditeurs la chronique de notre chroniqueur chouchou, Olivier. On va voir euh, Olivier cette fois-ci, euh, notre produit web, euh, qu'est-ce qu'il a pour nous. Et on se dit officiellement au revoir sur tout ça la fada. Amis auditrices, auditeurs de la FADA, bonsoir. Nous venons de finir une semaine avec euh, peu, très peu de buzz sur les réseaux sociaux. À part la pioche qui s'emballait dans une euh, nouvelle sortie, ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'actualité sanitaire avec les six engagements de l'État nigérien en faveur de la planification familiale. Qui dit planification familiale par des jeunes en âge de procréation. Cette information n'a pas fait le buzz sur les réseaux sociaux comme certains l'auraient souhaité. Et pourtant, cette démarche de l'État nigérien va en faveur de la santé des jeunes. Mais que contiennent exactement les six engagements de l'État nigérien pour l'amélioration de la santé, de la reproduction et la planification familiale. D'une manière globale, l'État nigérien a pris deux engagements politiques. L'un, c'est d'atteindre la couverture contraceptive à l'horizon 2025-2030. L'autre, c'est la mise en place du comité interministériel sous l'égide du Premier ministre chef de gouvernement afin de fédérer les acteurs de la planification familiale ensuite enclencher une dynamique globale. Ensuite, trois engagements programmatiques une meilleure prise en charge des femmes après l'accouchement, la réduction des ruptures de produits contraceptifs, particulièrement au niveau des formations sanitaires, la Fédération des jeunes pour la mise en place d'un espace commun de réflexion sur des questions de planification familiale et enfin un engagement financier, parce que quoi qu'on dise, l'argent c'est le nerf de la guerre. Concrètement, l'État s'engage à une augmentation de 10% du budget destiné à l'achat des produits contraceptifs et un montant de 500 millions sera destiné à cet effet. Au-delà de ces engagements, à mi jeunes, une volonté politique et une détermination des acteurs contribueront à l'amélioration des conditions sanitaires des jeunes. Mais quel rôle les jeunes peuvent jouer pour le respect de ces engagements La question reste posée à ceux et celles qui nous écoutent ce soir. D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, la paix la lumière sur vous. One love, bye bye. Bah merci bien Olivier Hyman. Aujourd'hui t'es là, t'es l'artiste, t'es le rappeur. C'est ton truc, c'est ton métier, tu vides ça. Il a son Abunda zaka gaya ma, tanda an hein, aka ce musicien, an hein, aussi public. Un Canada da sako da zaka gayama. ma wa'annan matasan Niger ko in ce 'yan Niger da suke iya kama muku cikin abin kuke ina shin ka Eh, wato kaman public shine mutanen da in muna wasanni suna zuwa suna taimakawa suna kama suna biyan suna sayan tikita suna shiga suna kallo ko kuma wa'anda ga zuwa bisa internet eh, kaman bisa yanar gizo suna kallon ayyukan da muka yi abubuwan da muka yi suna dibin waƙoƙinmu suna ɗan tutura don ko shine public maintenant abin da ake so gare su taimakon nan an san ana yi ba a ce ba a yi ba maintenant ana so kuma su ƙara ba da ƙarfi saboda su ne ƙarfin su ne karfi ba babu wani mawaki cikin duniya da ya girma bayyada baz bayyada karhi tun can kasa kuma karhin shi shine jama'a eh shine jama'an da ke tare da shi jama'an shi shine karhin artist don su su ci gaba da kama mana kamar yadda suke yi kullum eh Allah ya da zamu samu sa'a kuma zamu yi nasara insha Allah wannan ne rike sanci <laughs> c'est la fin de tout ça la fada française au sein nous étions avec euh, nos artistes rappeurs danseurs old school School, New School, le CCFN qui était avec nous, qui a accueilli la FADA. nom, la FADA. Avec lui, il sera question de comment le hip-hop peut contribuer au développement du pays. Parce que ça aussi, c'est possible. C'est